Et comme il y a beaucoup de micros aujourd'hui, je crois qu'il était parmi le lot de micros de la presse. Donc je disais, mesdames, mesdemoiselles, messieurs de la presse, que je vous remercie et que je vous remercie très sincèrement d'avoir couvert cette importante manifestation qui interpelle notre pays, le Sénégal, qui est un pays de paix et de dialogue. Le pays de Léopold c'est le Sénégal. Nous avons eu la chance, nous Sénégalais, d'avoir obtenu notre indépendance sans faire la guerre nous sommes l'un des rares pays africains n'ayant jamais connu la guerre, n'ayant jamais connu de coup d'État. Et c'est important. Notre pays est un pays profondément ancré dans la paix et le dialogue. Mais subitement, en cette fin d'année 2016 et au début au de cette année 2017, le peuple sénégalais est subitement piqué par une mouche qui l'incite à aimer, à chanter, à prôner et à développer l'esprit guerrier et la guerre. Et nous nous posons des questions. Pourquoi subitement nous voulons expérimenter la guerre Attention. vous le disait de marabout, je vais vous présenter après l'équipe la coalition qui est ouverte à tous les Sénégalais est fidèle, l'islam de Fodak, y de daf de Fodak. à ma droite vous avez Serigne Moudou Bara de Touba vous avez à sa droite M. Boubacar Ba le président du collectif des victimes du bateau de Diola, donc la Casamance est là parce qu'elle est concernée cette région par la guerre si la guerre doit se tenir en Gambie, la de masse ne sera pas épargnée, vous le savez. À ma gauche, il y a le grand journaliste Amadou Diouf que vous connaissez, qui se bat aussi pour la paix. Et vous avez le grand artiste, la gauche de M. ne pas le vous le connaissez. Très célèbre, aussi bien en Gambie qu'au Sénégal. Il y a d'autres, des marabouts, des professeurs, des médecins, des maires comme al mais d'autres, des comptables. Il fallait Il y en a d'autres qui sont très nombreux. Mais la liste n'est pas fermée, elle est ouverte à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais épris de paix et de justice. Alors, pourquoi cette coalition contre la guerre en Gambie, CCGG, coalition contre la guerre en Gambie, pour abréger, la CCGG, la coalition contre la guerre en Gambie, CCGG. Pourquoi la CCGG Il y a une élection présidentielle en Gambie. Des résultats provisoires ont été proclamés. Parmi les candidats, un a été déclaré vainqueur provisoirement. Le candidat président l'appelle et le félicite. Quelques jours après, et j'ai le document ici, error in the total official election results. Je parle mal l'anglais. Premier résultat, déclaration of Results, signé le président Aliye Momar Ndiaye, chairman. Deux résultats déclarés par le même président de la commission. Il y a eu la traduction en français deux documents. Dans le premier document, le candidat Adam Barrow passe avec 263 000 voix, 515. Yaya Djamé est deuxième avec 212 000 voix, 0,99. Et Kandemama Mama avec 102 000 voix, 969. Et immédiatement, le candidat Yaya Yamé a félicité le candidat Adam Barrow. Alors, quelques jours après, la même, la même commission électorale revient pour dire qu'il y, a eu des erreurs. Et Adam Barrow qui avait 263 000 voix se retrouve avec 227 000. Yaya qui avait 212 000 se retrouve avec 208 000. Kandemama qui avait 102 000 voix se retrouve avec 89 000 voix. Donc la différence pour la première proclamation entre Baro et Ayamé 263 à 212, je vous laisse faire le calcul. Cette différence est plus grande que la nouvelle proclamation de 227 pour Adama et 208 pour Yahya. Ça fait moins de 19 000 voix. Vous avez à peu près 50 000 voix. le candidat président, d'emblée, nous, nous, sommes pour, personne parmi ces candidats. La coalition ne défend ni Yaïdjamé, ni Baron, ni qui que ce soit. La coalition défend la paix et s'adresse contre la guerre. Mais il est bon de faire un rappel historique. Parce qu'il y a trop de manipulation dans cette affaire. Il y a trop de contre-vérité. C'est la raison pour laquelle nous entendons restituer la vérité. Rien que la vérité, seulement la vérité. Alors, comme les résultats sont très contradictoires, un des candidats, comme le prévoit la loi gamienne, et comme il était dans les délais, ce candidat s'appelle Yahya Djamé, a fait un recours devant la justice. pose, c'est est-ce que quand un candidat est dans les délais pour faire un recours, même s'il a félicité son adversaire, et qu'il retrouve des erreurs après, et que même la commission elle-même, avait proclamé les résultats, dit qu'elle a fait des erreurs, est-ce que ce candidat n'a pas le droit d'user des voies de recours pour que toute la lumière puisse être faite là démarrent les problèmes. Certains disent non, il a déjà félicité son adversaire, il n'a qu'à partir. Du point de vue juridique, est-ce qu'il existe un texte dans le monde entier, je ne dis même pas en Gambie, qui dit qu'en félicitant son adversaire et en étant toujours dans les délais de recours, on ne peut plus faire recours. Comme l'a dit un avocat expert en transhumance. Il dit que c'est un acquiescement. Dès lors qu'on félicite son adversaire, on n'a plus le droit de faire un recours. C'est comme si on avait écrit, parce que vous savez que le code électoral, c'est comme le code de la route, comme le code de la famille. C'est une loi. Comme on n'a pas écrit dans cette loi qu'en félicitant son adversaire, on perd le droit de faire un recours, même en félicitant, on peut faire le coup. Mais quand on est avocat du diable, on peut tout se permettre. Il faut que ça soit très clair. Nous, nous voulons seulement restituer la vérité et montrer qu'on ne peut pas tromper l'opinion. On n'est pas venu pour attaquer les gens, mais si on parle sans répondre à certaines manipulations, les gens, il y aura toujours la confusion. on a un droit de clarté vis-à-vis de notre peuple. Pour que nul n'en ignore, comme on dit en droit. Les gens disent, oh, oui, l'avocat mais nous, disons nous, et vous allez consulter tous les codes électoraux du monde entier, vous allez me montrer où qu'on a écrit qu'en félicitant son adversaire, on ne doit plus aller. D'abord, proclamer définitivement les résultats. Le conseil constitutionnel ne doit plus proclamer. On ne doit plus l'attendre et on ne peut plus faire de recours. Quand on, a, quand on a proclamé les résultats provisoires Donald Maxal, le vainqueur, on a attendu quand même feu le président Diakate, président du Conseil constitutionnel, proclamer définitivement les résultats. Et c'est devant lui, feu président Diakate, que Macky a a prêté serment. Si on suit la logique guerrière, jusqu'au boutisme qui véhicule seulement la philosophie de la force, en ignorant le droit. Si on, si on fait donc référence à cette idéologie guerrière, c'est donc devant la CDAO que le, véhicule en le provisoire va prendre serment ou sera la CDAO ou le Sénégal, ou une autre entité qui va recevoir le serment du nouveau président. Mais pas la Cour suprême, parce que déjà, il nous parle de Cour suprême fictive. Alors que la Cour suprême gambienne, on on ne peut pas exiger qu'elle soit comme la Cour suprême sénégalaise. Chaque pays a sa spécificité, a ses institutions qu'il faut respecter. Au Sénégal, tous les juges sont des juges sénégalais. Mais en Gambie, les juges nommés peuvent venir de tous les pays anglophones. Ce n'est pas une première. C'est la loi gambienne qui le prévoit. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit. La loi gambienne ne le prévoit pas. On ne peut pas prendre des juges étrangers. On dit, oh, ce juge nigérien, l'autre est corrompu. L'autre même, il y a un juge qui dit que lui, il ne va pas participer. Et il va essayer de sensibiliser ses collègues nigériens pour qu'ils ne viennent pas en Gambie. À ce moment-là, on va désigner d'autres juges nigériens, ou d'autres juges ghanéens, ou sénégalais, léonais ou libériens. C'est ça que prévoit la justice et la loi gambienne. Mais bon Dieu, depuis quand on a mis fin au principe sacro de la non-ingérence prônée par les Nations Unies et l'Union africaine. Les États sont souverains. Ils ont leur justice. Ils ont des institutions. Mais on voulait faire croire que la Gambie n'a pas d'institution. Que la Gambie n'est pas un État souverain. Que la Gambie n'a pas de Cour suprême. Que la Gambie n'a même pas de loi. Et que la loi qui va s'appliquer, c'est la loi de la CDAO, la loi du Sénégal ou d'autres pays. Un peu de respect pour le peuple souverain de Gambie. Un peu de respect pour tous les petits pays on voit que la Gambie est un petit pays dans le Sénégal. Mais la Gambie a son drapeau. La Gambie a son hymne national. La Gambie a son président. Elle a ses députés. Elle a ses institutions. Elle a sa justice. Les hommes qui animent ces institutions sont désignés par la loi gambienne, prévus par la loi gambienne. Même si c'est des étrangers. Donc ça, c'est un rappel historique. Pour que les gens ne disent pas que ceux-là qui veulent la paix n'ont pas tenu compte de la situation en Gambie. Des résultats contradictoires proclamés. Parce que dans ce pays, les gens ils aiment bien suivre une idée quand elle est développée. C'est vrai qu'il y, en a qui réfléchissent, mais d'autres disent Oh, il doit partir, il doit partir. Donc il n'a pas même le droit de faire le recours. Il doit partir parce qu'il a déjà félicité son adversaire. Et la loi gambienne qui lui permet de, de, faire le recours. La félicitation est supérieure à la loi gambienne. Donc la parole de Macky Sall, euh, qui avait dit qu'il allait faire 5 ans, est supérieure à la Constitution et au Conseil cautionnel. Le Conseil cautionnel qui a dit que Macky Sall doit faire 7 ans. On ne plus dire, il a jamais à féliciter. Macky Sall a parlé, non par, Parole pour parole. Il a félicité, Il s'est trompé. Macky a dit qu'il a fait 5 ans. Il s'est trompé. Parce qu'il ne pouvait pas réduire son, son mandat. a aussi, il a félicité très tôt, il a découvert des choses pas correctes, il fait un recours on dit qu'on va le massacrer parce qu'il ne doit pas faire de le foot. Alors que la loi le lui permet. Voilà le problème qui se pose. Comme si lorsqu'Abraham avait dit qu'il avait bouclé, qu'il avait bloqué la constitution à deux mandats, et lorsqu'il s'est réveillé pour dire qu'il va faire un troisième mandat, la CDAO, comme si la CDAO, à l'époque, aurait pu venir pour dire qu'on va déloger Abraham. Parce que lui-même avait dit qu'il va faire deux mandats, il a, il a, il a, il a bloqué la constitution. Les gens disent Wa Donc, Yaya y a le droit, Wahwahe, Sall a le droit, Ablagat a le droit. Gaï, réfléchissons. Personne ne nous pousse vers la guerre. Qu'on s'en tienne au droit. Et même si Yaya avait violé le droit, et on a vu qu'il ne l'a pas violé il n'appartient pas au Sénégal d'aller faire la guerre pour demander qu'on respecte le droit gambien. C'est au peuple gambien d'exiger le respect de son droit, son droit, le droit gambien. Vous avez vu le Congo La RDC. Kabila a épuisé ses cartouches. Pour rester, il a conçu un gouvernement de 73 ministres. Jamais vu. Malgré tout, les gens descendent dans la rue, ils les massacrent. Est-ce que la France a dit à Kabila qu'il doit partir Cette France qui, de Paris, donne des ordres à Yahya Alors Kabila, lui, doit partir. Mais Yahya, lui, doit attendre quand même le recours. Attendons la décision de la Cour suprême. Parce que oh, en Gambie, c'est la Cour suprême. Au Sénégal, c'est le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs. Il n'y a que des résultats provisoires en Gambie. Mais quand même, comment peut-on, sur la base des résultats provisoires, dire que il faut que le président cède le photo au président nouvellement élu Qui l'a élu Depuis quand des résultats provisoires élisent un président Les gens deviennent malades. C'est la folie qui s'empare maintenant du monde. Des résultats provisoires, dit ah, le président élu doit prendre fonction le 19. Qui, qui doit proclamer les résultats définitifs C'est le Conseil constitutionnel au Sénégal et la Cour suprême en Gambie. La Cour suprême ne peut pas proclamer les résultats définitifs. C'est pourquoi nous lançons un appel à Yahya et à Adam Baro et à tous les candidats d'attendre le verdict de la Cour suprême gambienne et de respecter le de quel qu'il soit. Il n'appartient pas à la CDAO. Il n'appartient pas non plus au Sénégal de dire à cette justice comment elle doit travailler. Vous avez vu Jean Ping. Il a hésité longtemps pour attaquer les résultats devant la justice gabonaise. Parce qu'il avait dit la dame qui dirige le Conseil constitutionnel gabonais, elle est de la famille des Bongo. Mais la communauté internationale a poussé Jean Ping à former un recours et il a fait le dernier jour en, au, Gabon, à Libreville. comme il s'y attendait, on l'a débouté, on n'a même pas regardé son recours. Mais qu'est-ce que les gens ont dit C'est le béni de la Cour suprême. C'est le mérite du, Conseil constitutionnel au Gabon. C'est la justice gabonaise. Les hommes, les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent, hommes ou femmes. Les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Les citoyens n'ont que aussi la justice qu'ils méritent. ça c'est clair. Donc que ça soit Yahya que ça soit Adam vraiment. Et la communauté internationale, nous demandons à tout le monde d'attendre la décision du juge, la décision de la justice gambienne, qui a seule compétence, compétence exclusive pour s'appuyer sur les recours et proclamer le vainqueur définitif. En dehors de cela, en empêchant la Cour de statuer, en ignorant le recours d'un candidat, on n'est plus sur le chemin du droit, mais sur le chemin de l'illégalité. C'est l'illégalité qui prévaut. Maintenant, après ce rappel historique et ces positions qu'on a prises, demandant à Yadjame comme Adam Barrow et aux autres, c'est au Sénégal d'attendre la décision du juge suprême qui a seule compétence pour proclamer le résultat avant de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, quelle que soit la décision du juge, elle est inattaquable, elle est sans appel. Elle est sans appel. Non quand même. Parce que l'État gambien est un État souverain. Les institutions gambiennes n'ont pas de leçons à recevoir, ni d'ordre de la CDAO ou du Sénégal. Il faut que ça soit clair. Donc, mes chers amis, nous sommes préoccupés par la paix, nous dressons contre la guerre. Nous avons montré que pour faire la guerre, il faut d'abord un motif valable pour faire la guerre. La Gambie n'a pas déclaré la guerre au Sénégal. Les Sénégalais ne sont pas attaqués en Gambie. Si nous attaquons la Gambie, c'est que nous allons agresser la Gambie. C'est la vérité. Si nous attaquons la Gambie, c'est que nous avons choisi de faire la guerre. qu'est-ce qui nous oblige à faire la guerre Pour élire, pour mettre un seul homme, on va tuer des militaires, des civils. Les gens peuvent se venger sur nos concitoyens qui vivent en Gambie. La Casamance, M. Baye là, risque de connaître d'autres mouvements qu'on souhaite oublier. Mais attention, mais quand même, les gens, arrêtez donc loolu la ñu bëggoon a wax tey dañ ñëw waxtaan ak yéen yéen waa Sénégal bi xam ngeen ni ñoo bokk lépp ku dal ci Gambie dal ci Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñun ñu nit jàmm muy El Hadj Modou Bara Dolly Mbacké mii toog sama wet. chef religieux mag Touba ràññee xàmmee politique xàmmee doxinu àdduna muy Babacar Ba Babacar Ba mii nga xam ni mooy président collectif des victimes du Joola xam Casamance dëkk Casamance xam ëllëg buy xeex Gambie lu ñu mën a jural ak lu mën a jural Casamance ci ay musiba tax mu bokk ci ñun muy muy journaliste mag bi Amadou Diouf xam ni jaar na fu ne ak expérience am adama ay desk politique ñu xam aussi xarañam ak bëgg réewam ànd ñun xam ngeen aussi ki ci wetam muy Ousa Diallo xam ne bu ñuy Sénégal artiste musicien de tous les temps moom la macha allah avant ñii agni parce que aar du dee ko Gambie xamee ko Sénégal muy Sénégal bien vrai fu mu mu ngi jooy temps ndax bëggul dégg ëllëg sa am Gambie Sénégal a ngay dee Gambie a ngay ku ci dee rek moom feebar waaw lu fi jar sax ah! sëriñ bi wax na ko de na ko waaw lu ñuy daw bay daanu lu xew élection am Gambie am na ku ñu moo gañee gum commission moo jox résultat njëkk yi président bi daanu ne ko félicitation kontaan naa yaa gañee yàlla moo ko def sa ginnaaw ëllëg sa ñëw indi beneen këyit ka joxewoon résultat yi na kii raawoon ne yaa jaam ne ma

te xam ngeen ne élection bu amee day commencé ci résultat yu njëkk yi ñu bàyyi diir comme gàmm lu ma ay fukki fan pour boo d'accordul nga dem fa ma xam ne nekkee benn ñu xayma xoolal lu dal lu am ci élection yi. yaay jaamee kon comme ni la demee man de comme yoon may na ma ba léegi ma ci gars ñoo ñoo ñëwal seen bopp dañoo juum ah léegi kay dëkk damay dem ci yoon kon yoon moo ma dàq konte yoon dana xool laaj laaj kayit yëpp. mu dem ci yoon ñu ne ko doo fi demee ci yoon ndax oo oh, nee nga sa waay léegi daal même boo la yoon mooyee nga dem ci yoon ñun parcedeao ñun ñenn ñi yenn ñi ñu garaaw ñee garaaw a garaaw xam ngeen leen yenn ONG yi cëb di dal na na fi jóge na dem a dem a dem waaw loi Gambien bi ne am nga droit def def recours ci yaa ngi jëlee recours yi parce que félicitation daal fuñ bind ci àdduna bi yëpp ni bo féliciter sa adversaire le droit de recours pour dee yaa de recours sax droit suñ ko bind. mu ngi mel un bu ñëwoon Macky Sall nga def 5 ans ci yoon ñu ne ko def sa wax la ñuy sa wax moo compte comme félicitation yaay moo compte waaye li yoon bind moy mu def recours amu droit amu ci droit mu ngi mel Macky Sall 5 ans lay def yoon amul Sénégal ba yoon amul droit ne ko droit def 5 ans 7 ans ngay mais ñu ne yaay waxoon na félicitation Macky dee woon na cinq ans de Abdoulaye Wade taxaw na fii nii deux mandats la yem bloqué na constitution bi ci ñaari mandat kenn du fi def ñaari mandat dem ba yàgg mu ne maa waxoon waxee gars yi dem conseil constitutionnel mu ne wax am na droit ci troisième mandat est que dañuy ñëw ne dañuy dañuy jëlee Wade palais ndax waxoon na ni fii la yem ndax dañu woo CEDEAO mu ne Wade génn ndax ñaari mandat nga doon am yaa ko wax bopp comme qui félicité, félicité a félicité félicité mais loi deux mandats troisième mandat que ans ans a parce que loi élection de commencé donc résultat yu njëkk yi diir ku d'accordul dem ci yoon après yoon mooy attee fi ne nekkee benn loolu il faut leer du parce que da nga félicité sa nawle bi nga doon jonganteel tax na amatoloo droit dem ci yoon mais dañu toj bopp di ci jaxase bopp di ñu ne comme félicité na nangu woon a résultat yi te résultat provisoire la résultat yu njëkk yi la résultat yi njëkk du fal kenn même Macky Sall résultat yi njëkk yi ñëpp xamoon nañu moo raw Abdoulaye Wade mais mënu ko na fal dañoo déglu même si yàlla si président Diakhaté ba mu ñëw conseil constitutionnel mu joxe résultat ne Macky Sall mooy président Sénégal loolu juste rek moo mën a def ci pour yoon def ko day nekk ba délai recours yi jeex day xool boo tax boo leen dara yoon dafa am temps

kon ba léegi yaay am na droit dem ci yoon waaw comme yaay am na droit dem ci yoon nañ nekk lu ñuy doo koy daanu lu tax ñu bëgg fermer bañ ni Gambie warul am loi Gambie dafa am hymne am drapeau am indépendance nu ko neex lay doxee kenn mënu ci dara waaw ñu bëgg ko doxloo ni neex ñeneen ñi ak CEDEAO du yoon jaay doole la loolu moo tax may ñaan ñun ñi and di ñaan excellence président Yaya jamm di ñaan Adama di ñaan kande Mama ñet candidat yi ñu tok deglu seen yoon moy seen justice moy cour suprême bu Gambie lu mu até nañ ko nangu cour suprême booba dégg na fi lu ne amul benn dafa nekk jubul mais réew mu nekk la mérite la am benn réew du xaymaa beneen réew nan lay attee ci biir réew nañuy attee Gabon nañuy attee Japon nañuy attee Londres nañuy attee Sénégal nañuy attee Mauritanie yooyu beneen dëkk def ci ku nekk da am nga yóbbu Marseille yoonu Gambie may na yaay jaame mu tabb ay juge suñ si ay Sierra Leone ay Nigéria ay Libéria pays làkk anglais mën a lire bu Gambie ndax ci anglais lañ ko bindee bu doon sax yoon loolu ñu ne yaa jaame amul ay juge jógee Nigéria mais yoonu Gambie moo ko ko may ñun ñu toog Sénégal naan su cour suprême Gambie comme suñu bos la war a mel kon bu Japon xanaa ñoom ñoom ñoom ñoom ñun Gambie la ñoom dañu war a mel ni bu Sénégal dañu bàyyi wax dañu waxi nit bàyyi waxi dof réew mu nekk dafa am ay kuuram ay tribunaux justice am réew mu nekk dafa am président am ay premier ministre ay député am loolu la am nañ ko bàyyi li mu am waaw lu fa rajal guerre ñun nag dañu ñëw pour xeex guerre ànd ñu ak guerre bu doon sax dañoo song guerre ñun mën nañu ah yow mii song guerre te gaa dem nànk naxante bañ a guerre ba yàgg ñu guerre parce que kooku dafa bëgg ñu guerre waaye gaa mi songul Sénégal ñu ne ko dañ lay song ñun kenn songuñu ci àdduna bi kenn xeexul rek ñun ñun ñu bëgg a jaay guerrier ah ñun daal léegi dañu bëgg jaay affaire bandi ñun ñun réewu jàmm ñun dañuy jaay daal ñu ne ko dañuy topp di jéem a seet suñu doole xayma suñu doole ñu ñëw kat attention yëf fitna baaxul de. attention ci xeebaate da nga xeeb da nga xeeb euh, kii safara mu lakk sa tàgg nga xam ne ngay waxee attention de ci sax lu ñu ci am Sénégal Gambie benn lañu peuple sénégambien lañu wax bokk ndey bokk baay bokk wolof bokk joola bokk soose bokk tukulóor bokk pël ñoo bokk lépp dafay dégg ba dafa dégg jàmme dafa dégg sangoor dafa dégg baro loolu yëpp am na Sénégal dafa dégg Kande dafa dégg tout nga dégg Jóob ak lépp a fa ne Jóob ak lépp ñoo bokk lépp Sénégal yaa ko fees dell bu guerre bu ñu reyee Sénégal yi foofu ku leen tooñ kii di guerre bu fa Sénégal yi demee dee fa ku leen dee ku leen rey ñu xam galeen yóbbu te guerre la kon attention CEDEAO bu xam am na guerre Burkina na ay na ba ba naaw dëkk yëpp dañoo guerre ba dee Nigéria moom guerre baag bokk aram ak ay Biafra mun na lañ xam ci guerre ñun yàlla nañu ñu tëdd fii ñu baax ñoo tëdd ci réew mi ndax yàlla suuraal bi réew Cheikh Ahmad Bamba bu Ajmari réew Seydina Issa Laye réew Boukounda Niassane réew fi nekk ñu baax xëy na ñoo ñoo téye réew mi ponk réew mi Sénégal masul am guerre kenn dégg nañu pétrole baa ngi bëgg ñëw ñu bëgg ñëw dugal ci guerre pour ëllëg ñu nangu suñu pétrole bi nañ def attention am nañu fi bëgg ñëw léegi wane dañu jàppale parce que boo commencé guerre da nga mën nëmbal fa ku mel ni France bi nga ne daa pétrole Sénégal daf ko intéressé bi ñu bëgg a guerre loo pour mën fa yow toog pour ñu mën ko soxla ëllëg ëllëg ko lu ko nekk ay dof Sénégal jàmm na xew ñu ay ci li lañ bëgg jaar affaire Gambie bi rek pour tas Sénégal indi fi problème pour ëllëg teg sa loxo ci pétrole bi lu leer la leen wax CEDEAO mu ay nawle la bëgg nawle mooy bu xeex comme ñoom ñoom ñëpp a xeex ñëpp a xeex ay Nigéria Boko aram guerre Biafra ay ay ay Mali guerre yaa ngi fa Côte d'Ivoire guerre dañu ba dee ñu jógee Korogo ñu jógee Boaké attention gars yi ne ñoom ndànk Libéria guerre nañ ma yóbbu Sall Taylor ces pays Sierra Leone guerre nañ ba jàpp euh, dirigeant yi tëj commissaire de guerre ñun rek la fi yàlla may jàmm ak Gambie nañu nañ ko dëkk boobu Sénégal benn la nañ ñu bàyyi suñu jàmm jooju Guinée Guinée Bissau la fa am ci guerre tout ñu rey ab président rey premier ministre rey colonel rey nangam ñu reprendre ñun la yàlla may jàmm ngir yàlla nañ préserver suñu jàmm jooju moo tax coalition bii nga xam ne jàmm ko tax a jóg di woo Sénégal yëpp di bokk ci ndax jàmm gën ay ci nak mu ñu ñàkk ba CEDEAO jël ñu jiital ñu di ñu gelloo ci Gambie né nañu attaqué Gambie waaye Sénégal yi jiitu dégg ngeen yooyu di wax. Mm-hmm. xam nga wax na fekk waaw d'accord eh, yaay lañ fa jëlé a pour ñu dee njëkk leen dee yéen jiitu leen ñeneen jiitu yéen Sénégal yi bu ngeen dee ba jeex ñu soog ñu ñëw parce gam yéen ngeen reyante la seen biir ndax jamm du am di dëkk bobu benn lañ benn dëkk lañ boy dem ba euh, di nga jaar bi Gambie ñu ne jittal ngeen bi yéen frères yi yi la seen biir CEDEAO dafa ñu am CEDEAO mosul réglé benn problème problème ci àdduna benn problème ma bokk CEDEAO France boo dem sauvé Mali boobu boobu jihadiste yi ñu avancé wuti capital ba pour doon France bi repoussé gars yi CEDEAO da doon nelaw ne xam nga dina nelaw Côte d'Ivoire CEDEAO réglul benn problème force Nations Unies ñoo fa Sénégal foofu ba léegi dem naa ba gis leen force dem naa Bouaké Demna Korogo Demna, Demna dem naa demna dem naa Gagnawa dëkk amul benn boo xam ne am na problème moo ko def amul même problème bi Burkina Faso coup d'état bi mu doon am Macky def fa régler problème yi Burkina bay ñoo réglé seen seen problème moo ni gendre la xaw du fi toog Zidane Zidane ak président ba fa nekkoon ak intérimaire CEDEAO amul ci ay textam lu ko may droit mu déclarer la guerre beneen état bokk na di song benn état dafa war a aar état yi waa pas song leen bu doon dafa song Sénégal waaye mën na ñëw jéem a aar Sénégal jàppale Sénégal ndax Gambie ëpp nañu doole waaye dara amul dara yëngatuwul mune no dañ jog dal ci kaw ben état membre dal ci ben réew afrique te au sénégal ya jité affaire bi sénégal amu ci droit sénégal amu ci droit même bu ci droit amna lu ñuy rus ak lu ñuy bay man rus naa ñu ne ku sogo sénégal bi ñu ne sénégal mooy song nañ sun bop mooy song nañ sun bop sénégal yene gambie ñoo ko sa gambie yene gambie sénégalais yi ñu ëpp Gambien yi biir Gambie kon boo tànkee kay Gambie yaa nga tànk sénégalais te xamu noonu dana am foofu vengeance est-ce que lu tudd rey sénégalais ba nekk nit dana yee fitna xamul fan lay mujjee fitna parce yàlla ni yee fitna baaxul te yàlla du faral kuy tooñ président bu ñu reyandi seen biir réew yi reyandi seen biir pour falu rek falu dafa neex rek tey na su yoon nekku bëgg nañ falu nag tax ñun sunu doom yi dafa dee kooku lañ dul nangu ñun benn nit rek pour mu falu ñu ne rey ay armée sénégalais ñu reyante ji loolu lañu on se posera jusqu'à la dernière énergie avec la dernière énergie dama ni dañ dul nangu ñuy dem ne xeexi di guerre yi guerre dafa garaaw guerre guerre yi xam nga la may guerre mais moo garaaw ji nga ne di téere ci ni ko war téere ci sa kaw kii fi ñuy jaar ni ñu may di capter ca pénis bi ñu dóor ñu daanu ñuy fi ñu dóor ni mais loolu ci la lu ko jar pour ñu tey ji diw mii dafa war dem mais diw moom réew moo ko fa bàyyi bu réew ma rayo tey moom ba jëlee ko ba comme Blaise Compaoré te est-ce que CEDEAO moo tax Blaise Compaoré daa naa ne loolu boo gars yi Blaise daa bëggoon yokk mandaam te amu ci droit CEDEAO ni pat CEDEAO ni pat

bëgg fi na fu ko yé suñu dëkk ñun duñ ko nangu mosul fa gatché ci adna bi pour CEDEAO Côte d'Ivoire gi da bokk CEDEAO dégg ngeen ñu tëb di wax di tëb di naan bu CEDEAO doon amoon ful la kon ñom ñoo rek problème ko d'Ivoire bu yaa combien de milliers de morts moo am moo am Côte d'Ivoire chargé de yëpp gon donc ñu ngi terminé di ñaan appel ay yaay jàng président Yaya Adama Baro, Mama Sénégal sommes nous toog déglu à bi Gambie muy cour suprême Vous dee yaay vous gañe yaay Vous Vous dee Adama moo vous Adama vous voulez élection yi réellement ndax fu dëgg yi nekk ñu élection yu mais loolu yëpp rek vous mais commission électorale mënul joxe résultat définitif te du ci kanam commission la ñuy waat kanam cour suprême la ñuy waat parce que moo joxe résultat yi mujj yi. waaye nit ñi nañ nekk nit dégg naa sax ci télé yenn yi may xool ñu dama ree di saboté mais man lu ma leen wax dëgg la parce que dama bëgg nit ñi nekk nit bañ di saboté luñ leen wax ñun ñu toog fi jëpp ku nekk waxee ci dëgg rek la ñuy wax faraluñu yaay jàmm dama fu ma yaay jàmm moo gañ ñun ñëpp ko amul fu ñu yaay jàmm moo war a gañ amul fu ñu ne Adama Barrow moo perte amul fu ñu ne yaay lañ bëgg suruxal waxuñu ko fenn amul fu ñu ne dañoo contre Adama Barrow waaye dañ ni waaye aada waaye waaye fu dem élection ci àdduna yëpp muy Russie muy fu ne mën a doon Portugal muy muy muy muy Soudan élection bu amee fekk bokk am na droit xanaa yoon nag waaw lu bees ci àdduna bi ba loolu bu dul am mbir Gambie rek moom kenn loolu la wax ni nañ may Gambie foofu àdduna yëpp ku dem élection d' accord ci résultat yu njëkk yi nga dem ci résultat yu mujj yi nga laajte ko cour suprême bay mujjee atte moom mu ne nii la demee nii laa ko gisee et sans appel parce que cour suprême maa tee ba pare wala conseil constitutionnel amatul atte waa yaay jaamale war a nangu adama war a nangu la fay xam xamul la fay jógee nag waaye dañeen di ñaan très respectueusement dañeen di ñaan ñun waa Gambie yëpp ak àdduna yëpp la carte kat ba atte nañ ko nangu parce que même Dakar ba pare tëj sa jëkkër tëj sa papa trop forcé à perpétuité wala 20 ans mais mënoo ci dara da ngay toog xam ne atte la atte kat atte métti bu ñu nee nañ ko rey atte nañ ko atte rey nit dañ koy rey doom yi du ci mën dara jabar du ci mën dara atte mel noonu kon nañ nangu réew mu nekk dafa am atte katam réew mu nekk dafa am ay sartam ay loi ngir yàlla pour jàmm am ngir yàlla pour ñu moytu fitna moytu ay reyante Sénégal bi loolu xaju fi jërëjëf